le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Senya Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Amphani FM 100, Kwarategi FM 90.9 et Challenge FM 96.6. Vous pouvez aussi nous suivre dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans plus d'une vingtaine de départements grâce à notre réseau de 34 radios partenaires du studio Kalangou. Notre page Facebook Studio Kalangu notre site internet www.studiocalangou.org. Le thème du forum d'aujourd'hui est Décoration honorifique au Niger, importance et avantages pour les bénéficiaires. Ce forum vise à informer le grand public sur les différentes distinctions honorifiques qui existent au Niger et qui sont décernées par le président de la République lors de la fête nationale ou la fête du travail, mais aussi de façon exceptionnelle, certaines personnalités étrangères reçoivent ces décorations quand elles visitent le Niger ou encore

des diplomates en fin de mission. Ce forum va nous permettre de connaître leur importance et avantages pour les bénéficiaires dans un face-à-face avec une des mémoires de la grande chancellerie du Niger. Les décorés sont élevés au grade de, de chevalier de l'ordre national du Niger, de chevalier de l'ordre du mérite du Niger, etc. Ces bénéficiaires sont des hommes politiques, leaders d'opinion, des opérateurs économiques, des hommes de lettres, des hommes de culture, des agents des forces de défense et de sécurité, etc. Les diplomates reçoivent aussi ces distinctions à l'occasion généralement de la fin de leur euh, exercice de mandat au Niger. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur les critères de choix des bénéficiaires de ces distinctions, leur importance et les avantages y afférents. Pour en parler, nous serons donc deux un face-à-face, comme je l'ai dit tantôt, un entretien avec euh, Ali Sebou, longtemps secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Niger. À la retraite aujourd'hui, il est conseiller technique du Grand Chancelier des Ordres nationaux du Niger. Monsieur Ali Sebou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ali Sebou, en quelques mots, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter à nos auditeurs Je m'appelle euh, Monsieur Ali Sebou je suis administrateur euh, civil et je suis effectivement longtemps euh, secrétaire général de la grande chancellerie de 89 à nos jours. Uh-huh. Bon, récemment, j'ai pris ma retraite à compter du 1er janvier et euh, maintenant je suis nommé conseiller technique du grand chancelier. En fait, vous êtes une des mémoires de la grande chancellerie du Niger. En tout cas, je, maîtrise beaucoup de domaine dans, ces activités et euh, c'est pour cette raison certainement qu'on m'a gardé en tant que conseiller technique en attendant d'avoir la relève. D'accord. Quelles sont les missions et les attributions de la grande chancellerie des Hommes nationaux du Niger D'abord, la Grande Chancellerie du Niger a été créée en 1959. Donc, euh, c'est une institution rattachée au cabinet du président de la République qui est chargée de la gestion euh, des décorations et de la discipline des, récipiendaires. Au début, la Grande Chancellerie, il n'y avait qu'une seule décoration, à savoir l'ordre national, en 1959 également que ça a été créé. Mais compte tenu de l'évolution des différentes activités économiques, donc il y a eu la création d'autres décorations. Donc, euh, euh, une décoration, c'est un insigne, une marque d'honneur symbolisant la récompense, puisque dans euh, la plupart des, relations entre l'employeur et les employés, c'est généralement des sanctions punitives, des récompenses punitives. Rien rien les laisser comme récompense positive, notamment les récompenses, le mérite qu'il faut récompenser. Donc c'est dans ce cadre-là que les décorations ont été instituées. De nos jours, de nos jours euh, nous avons 12 décorations. Si vous voulez, on, les définit un On va directement, oui. Oui. Donc vous avez l'Ordre national du Niger qui est destiné à récompenser les services éminents rendus soit à titre civil, soit à titre civil, militaire, hein, oui. soit euh, au, nom de la République. Donc, il, comprend trois grades chevalier, officier, commandeur. Ça, c'est l'ordre national. L'ordre national. Ensuite, il y a deux dignités, ce qu'on appelle, euh, c'est le plus haute distinction. Il y a la, euh, grand, officier de l'ordre national et grand, grand croix de l'ordre national. C'est le grand croix là qu'on attribue au président de la République et au aux Nigériens également. Ensuite, vous avez l'ordre du mérite du Niger, qui est la, deuxième distinction honorifique, qui constitue les mêmes grades, euh, qui, ont les mêmes grades que l'ordre national, à savoir euh, trois, grades et deux dignités. Maintenant, il, euh, il y a la médaille militaire, qui est la troisième distinction honorifique. Elle récompense tout militaire et assimilé, sauf les officiers supérieurs. Donc c'est pour les hommes de troupes, la, médaille militaire. Ensuite, vous avez la croix de la vaillance, qui est la quatrième décoration. Elle est destinée à récompenser les actes de bravoure sur le terrain, le maintien d'ordre, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la médaille de la santé publique, qui est destinée à récompenser le personnel de la santé, et qui, comprend également quatre grades vous avez l'ordre du mérite agricole qui est destiné à récompenser euh, tous ceux qui agissent dans le domaine rural, agriculture, élevage, euh, euh, etc. Ensuite, vous avez la médaille d'honneur des douanes, ce qui comprend un seul grade. Donc, c'est, pour récompenser les services de recettes douanières mmh. et les agents subalternes qui fournissent des renseignements pour la répression de la fraude. Ensuite, vous avez la méthode du travail, qui est, euh, euh, qui elle est instituée dans euh, la convention collective. Hein? La, dans la convention collective, c'est uniquement le personnel cadre et auxiliaire du secteur public, parapublic et privé donc, elle est, destinée à, ceux qui sont régis par la convention collective. Uh-huh. Vous avez l'ordre des palmes académiques qui est destiné à récompenser les enseignants, les chercheurs. Euh, on, l'assimile même aux sportifs puisque c'est dans le domaine culturel. Vous avez la médaille de, théâtres théâtre d'opération extérieure qui a été créée en 1991 suite à l'invasion de l'Irak par le Koweït. Donc c'est tous ceux qui euh, participent au maintien d'ordre à l'extérieur du Niger euh, que cette décoration est destinée à ceux qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire. Et vous avez la médaille du mérite sportif qui a été créée récemment également. Euh, donc, c'est pour récompenser les, sportifs, tous ceux qui œuvrent dans le, développement du, sport en général. Et en dernière position, vous avez la médaille de la police qui est destinée à récompenser les agents de police les, agents de renseignement généraux, et euh, ainsi de suite. Voilà les, les 12 décorations. D'accord. Alors si on revient euh, à la première notamment et à la deuxième décoration qui ont euh, chacune trois grades. Mhm. Qu'est-ce qui différencie ces, ces grades Ce qui différencie ces grades, c'est que l'ordre national, on ne peut pas être décoré directement dans l'ordre national. Il vous faut avoir l'ordre du mérite du Niger puisque l'ordre national, c'est la plus haute distinction honorifique du Niger. Donc, et pour l'ordre national et pour l'ordre du mérite, pour avoir le grade de chevalier, il faut 15 ans de service. pour, l'ordre national, il n'y a pas les 15 ans de service. Il faut être décoré dans l'un des ordres nationaux du Niger, que je, viens de citer. C'est la seule différence. dans, la législation, la loi a fixé que l'ordre national, c'est la plus haute distinction honorifique du Niger, suivie de l'ordre du mérite. Tous les autres décorations, là, c'est par secteur d'activité, euh, agriculture et autres. Mais le commun, les deux décorations qui concernent l'ensemble des, agents de l'État et du secteur privé, c'est l'ordre national et l'ordre du mérite. Et comment on fait pour avoir ça Pour avoir euh, euh, toutes ces décorations, normalement, il faut avoir 15 ans de service, 35 ans d'âge au moins, y compris le service civique et le service militaire. Oui. J'ai ces droits civiques et civils comme, on dit, <laughs> l'expression. Et ben, voilà les conditions euh, pour avoir, pour accéder à l'ordre du mérite, euh, à l'ordre du mérite et les autres décorations. Mais pour l'ordre national, je disais tantôt qu'il faut être décoré dans l'un des ordres nationaux. Vous ne pouvez pas être euh, directement nommé dans l'ordre national tant que vous n'avez pas eu une autre décoration, sauf à titre exceptionnel. Vous avez parlé du Grand Croix. Qu'est-ce qui différencie la dignité de Grand Croix, c'est euh, le, top euh, des de, grades. Et donc, euh, Grand Croix, il y, a il Grand Croix de l'ordre national, il y a Grand Croix de l'ordre du mérite. Donc, tous les deux ont un, Grand Croix. Mais la, spécificité de l'ordre national, c'est que tout nigérian peut accéder au, grade de Grand Croix. Mais il ne peut pas accéder, à, il ne peut pas accéder au, grade, au Grand Collier en or massif qui est, exclusivement réservé au président démocratiquement élu. Vous dites bien démocratiquement élu. Démocratiquement élu. les Alice et vous, les Kuntier, les euh, n'ont pas eu, les, bon, les barrés et autres ont, eu, tous ceux qui ont, été, qui, ont fait l'objet d'une élection euh, ont, reçu le grand collier. Et qu'est-ce qu'on en fait du collier Ça devient la propriété du président Bon, oui, présentement, ça devient la propriété du président. Euh, maintenant, euh, nous, avons initié un texte pour, euh, après les cérémonies, trois mois à peu, près, de retirer les décorations et de, les conserver à la grande chancellerie. Comment archive non, on dépose pour la, prochaine législature. Si un autre président est élu, on, lui, présente le même collier. Alors, qui est habilité à proposer les bénéficiaires des distinctions C'est les employeurs c'est le, ministère de tutelle qui propose les, ONG, euh, propose euh, leurs agents. Donc, en tout cas, ça, vient de, des employeurs. à l'approche des fêtes, nous, nous, distribuons des, des mémoires qu'il faut remplir et transmettre à la grande chancellerie pour les autres décorations. Pour la fête du 1er mai, les dossiers sont transmis à la fonction publique où il y a un comité tripartite qui est chargé d'examiner au préalable les dossiers avant de les transmettre à la grande chancellerie ou un, conseil des ordres nationaux composé de cinq personnalités va examiner le, dossier des intéressés. D'accord. Nous, nous déterminons, voilà nos critères. Maintenant, à l'interne, au niveau des, ministères, c'est à eux de choisir les plus méritants pour les envoyer. je donc pour, nous les envoyer, et en fonction de, nos critères, nous choisissons, et en fonction du contingent, puisque chaque année, il faut déterminer un, contingent, annuel qui est, euh, qui, est, présenté au président de la République. On ne doit pas dépasser, par exemple, 500 chevaliers dans l'ordre de, mérite du Niger. Donc, en fonction du volume des dossiers qui sont parvenus, euh, euh, nous, déterminons l'ancienneté dans le grade, dans la fonction, et euh, d'autres appréciations, l'appréciation de, l'employeur. D'accord. Euh, par exemple, la, médaille d'honneur du, travail, oui. est-ce que vous pouvez un peu plus éclairer les gens sur ça, surtout les travailleurs La médaille d'honneur du travail est, j'ai dit, instituée pour euh, ceux qui sont régis par la convention collective. Oui. Donc c'est au niveau des entreprises euh, des ministères pour les auxiliaires que se fait le choix pour, proposer les, agents. Donc le dossier doit comprendre un casier judiciaire, une attestation de service et le mémoire du dûment rempli pour avoir tous les renseignements. Ensuite, les dossiers sont, il y a une date butoir qui est fixée. Les dossiers sont transmis à la fonction publique. Là, il y a un comité composé de toutes les centrales syndicales de la main-d'œuvre, de la grande chancellerie, du service de, de, relations euh, avec les travailleurs du ministère de la fonction publique. La présidence est assurée par le ministère de la fonction publique. Là, nous faisons un tri hein, pour ceux, tous ceux qui remplissent les conditions. Et ensuite, le, dossier est transmis à la grande chancellerie qui va traiter encore pour vérifier certaines informations. Celui qui a eu la médaille de bronze Normalement, il doit attendre 5 ans pour avoir euh, la médaille d'argent. Et nous vérifions effectivement si les références mentionnées euh, sont exactes. Et maintenant, nous déterminons les personnes qui sont proposées à être, euh, décorées après la réunion du Conseil des ordres nationaux. Par méconnaissance, certainement, dans le privé, on reçoit rarement ce ces de propositions. Qu'est-ce que vous allez dire justement aux, employeurs du secteur privé Les employés, ceux qui sont employés, c'est à eux de, militer et, de créer euh, des conditions pour, pour que les gens soient proposés. Euh, évidemment, euh, dans certaines sociétés, c'est automatique. Dans d'autres, là, c'est vraiment c'est, difficile d'avoir même le mémoire. Donc, de s'adresser à la grande chance, il faut avoir le mémoire, remplir, faire signer son chef hiérarchique et transmettre à temps à la fonction publique, euh, puisque c'est un droit. Donc, euh, il, faut que euh, les centrales syndicales s'investissent également. puisque, bon, ben, généralement, eux, elles, ne cherchent pas à comprendre. Elles doivent venir, venir à, nous, nous leur faisons des, modules. Et même, malheureusement, apparemment, l'information ne circule pas. Concernant la palme académique Palme académique, c'est aussi la même chose, c'est pour, les enseignants, les hommes de culture. donc, euh, tout enseignant qui a 15 ans de service, 35 ans d'âge, peut prétendre au premier grade, le grade de chevalier. Et là également, c'est les, DR, les directeurs euh, régionaux de l'éducation, qui proposent les intéressés jusqu'au niveau euh, du ministère. à partir du ministère, le ministre est obligé de mettre son avis ou de rejeter euh, certains dossiers. Alors, est-il permis à une seule personne de recevoir plus d'une décoration Oui, c'est permis. C'est permis, mais euh, il faut, dans ce cas, il faut commencer par euh, les, décorations qui concernent l'activité de l'intéressé. Si c'est un enseignant, il peut prétendre au grade de chevalier de l'ordre par, académique, par exemple. Ensuite, il peut prétendre au grade de chevalier de l'ordre national et évoluer dans les deux camps. Mais celui qui a l'ordre national, qui veut demander l'ordre du mérite, il est, l'ordre du mérite du Niger, nous, refusons puisque il est, considéré comme euh, la personne a été sanctionnée, euh, a été rétrogradée. Puisque l'ordre national, c'est la plus haute distinction honorifique. Si vous obtenez l'ordre du mérite, vous avez droit à l'ordre national. Maintenant, si vous rentrez dans l'ordre national, vous n'avez plus le droit de revenir dans l'ordre du mérite pour évoluer euh, pour avoir les cinq autres grades. Mais vous continuez de l'ordre national jusqu'au grade de Grand Croix. Euh, vous avez parlé aussi de l'ordre de la police. Médaille de la police. La médaille de la police. La médaille du Voilà, la médaille de la, de la, police a été créée suite, euh, je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez, il y a un avion qui a été pris en otage à l'aéroport. Et la police est intervenue pour libérer les otages. C'est suite à ça que la de la police a été euh, instituée pour décorer les policiers, les, policiers et assimiler les, gens qui leur fournissent des renseignements. Voilà pour la, médaille de la police. Euh, pour chaque secteur d'activité, on peut créer une médaille. comment, ça se fait Pour chaque secteur d'activité, on peut créer une médaille. Maintenant, pour la création de la médaille, c'est l'institution ou le ministère, hein, le ministère qui initie le projet de, loi et projet de décret. Et le projet de décret est transmis à la grande chancellerie pour avis et amendement. Après un travail technique, le conseil se réunit, euh, fait des observations et renvoie le dossier au ministère qui a transmis le dossier pour la correction et transmettre le dossier au secrétariat général du gouvernement. Là, il y a un comité, un comité qu'on appelle, qu euh, Comité technique de vérification des textes, qui va examiner le, dossier et faire des propositions. Et le dossier passe en conseil de cabinet, ensuite en conseil des ministres. D'accord. On a parlé dès le début de, ce forum des diplomates et autres personnalités de passage du, Niger qui sont souvent décorées par euh, le président de la République en personne ou même des, ministres. Hmm. À ce niveau, comment, quelle est la procédure, comment ça se passe Bon, pour les, les, les, étrangers non résidents, euh, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a des structures qui saisissent le ministère des Affaires étrangères. Et le, le ministère des Affaires étrangères écrit au président de la République pour dire que l'ambassadeur est en, fin de mission. Voilà, il, faut, y a un rapport motivé, ce qu'il a rendu comme euh, dans le domaine de la coopération. Et en ce moment, la présidence nous écrit pour demander de prendre le décret. Euh, voilà pour les diplomates, c'est une civilité diplomatique euh, qui a été instituée dans tous les pays. Il y a les, diplomates, les, responsables des ONG, euh, qualitative et ainsi de suite. C'est un peu la même chose aussi pour les diplomates en fin de, mission, par exemple au Niger. Oui, oui. Hmm. mais il arrive souvent que certains diplomates ne soient pas décorés. Tout dépend en fait du, choix des autorités. Du choix des autorités et des services rendus euh, dans le domaine de la, du développement de la coopération entre les deux pays. C'est ça qui est évalué les efforts fournis pour avoir des investissements dans, les différents domaines d'activité économique, socio-économique du Niger. Est-ce qu'un diplomate qui finit sa mission au Niger, qui reçoit des décorations, est-ce que cette décoration a une importance pour lui quand il rentre chez lui Oui, surtout les Occidentaux, euh, certains pays africains tels que le Burkina, le Sénégal, une décoration, c'est, comme je l'ai dit, c'est un signe, euh, une marque d'honneur euh, qui symbolise le mérite. Euh, euh, donc, euh, vraiment, c'est important pour, eux. Dans certains pays, c'est une restriction qui est posée. Il faut demander d'abord l'autorisation au pays de du diplomate avant de lui accorder la décoration. Parce que certains pays tels que l'Union soviétique ne veulent pas directement qu'on décore les ambassadeurs sans leur avis. On voit très souvent au cours de la fête de la République le président qui décore les personnalités. Est-ce les textes qui exigent euh, cette formalité publique Non, le texte n'existe. Le texte, euh, bon, effectivement, c'est le texte. Normalement, en principe, toute personne décorée devait recevoir les décorations des mains du président de la République. Et compte tenu du, contexte euh, financier et autres, nous ne pouvons pas avoir suffisamment de stock de médailles. Mais on choisit, le, cabinet de la présidence propose certaines personnes à décorer sur la place publique. D'autres secteurs d'activité ici font la proposition au président de la République. Donc tous ceux qui sont décorés là euh, sont proposés au cabinet du, président de la République qui nous demande de préparer les, éléments de la décoration et de procéder à leur remise. D'accord. Quelles sont les formalités à remplir pour récupérer une décoration Est-ce qu'il y a des frais Oui, il y a ce qu'on appelle le droit de chancellerie. Euh, donc, euh, c'est fixé par un arrêté conjoint ministère des Finances et Grande Chancellerie pour euh, retirer son diplôme et la médaille. Il y a des frais. par exemple, chevalier de l'ordre du mérite, vous payez 15 000 alors que nous, nous commandons ça à 85 000. Le diplôme, 1500 francs CFA. Donc, ainsi de suite, quoi. Toutes les décorations, toutes les décorations sont accompagnées d'un brevet ou diplôme et d'une décoration. Mais ceux qui sont, les, qui sont décorés officiellement par une autorité, le président de la République, le premier ministre, les, membres du gouvernement, les chefs coutumiers, les gouverneurs, sont exonérés des frais de, sont exonérés de ces frais. Ils ne payent pas. Et qui paye C'est gratuit, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Si c'est une remise officielle par une autorité. Maintenant, si vous, êtes, euh, vous avez une décoration médaille de bronze, ah, si le DG se, propose de vous remettre ça officiellement, accompagné d'une petite cérémonie pour stimuler les autres, bon, c'est gratuit, vous ne payez rien. même au niveau de la chancellerie. C'est au niveau de la chancellerie, vous ne payez rien. Par exemple, récemment, tous ceux qui ont été décorés à Ottawa. À Ottawa n'ont rien payé. C'est gratuit. Mais il y a un autre décret ou la grande liste. Donc, cela, quand ils viennent, il faut qu'ils payent les droits de chancellerie qui sont versés directement au trésor de, est-ce possible de, retirer des décorations déjà attribuées Si oui, pour quel motif En cas de condamnation, euh, celui qui est condamné, le ministère de la Justice et le, ministère des Affaires étrangères, puisqu'il y a des, étrangers qui sont décorés, s'ils sont condamnés dans leur pays, le ministère des Affaires étrangères doit nous notifier que l'intéressé a été, a été condamné. Voilà. au Niger aussi, c'est la même chose. Et en ce moment, on, fait un projet de décret, un rapport, de, un rapport de, présentation au, euh, au, président de la République. Uh-huh. Et on retire. Et on retire la, euh, la, décoration. et le diplôme. Maintenant, si, si après il y a eu un amendement, ils peuvent encore réintroduire pour qu'on lui restitue ça. S'il y a eu un amendement, ben on a eu un cas, euh, un cas c'était au temps du CMS qui a été, qui a été arrêté en prison, on a retiré, après le jugement, on, a, s'est rendu compte que c'était une erreur. Donc, on lui a restitué ses décorations. D'accord. Un autre décret. D'accord. Alors, quels sont les avantages liés aux décorations Bon, comme je disais, il y a les avantages honorifiques. Je disais que c'était un honneur. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre national, les avantages de l'ordre national, c'est que quand vous êtes décoré dans l'ordre national, quel que soit le grade, de chevalier à grand courage, quel que soit le grade, en cas d'hospitalisation, les frais d'hospitalisation, euh, c'est-à-dire vous faites euh, un mois pavillon A, ah, vous ne payez rien. Ah, donc ça, c'est un avantage. Deuxièmement, quand vous avez la médaille accrochée, même si c'est un général qui vous rencontre, il doit vous saluer militairement. Ensuite, si c'est une sentinelle, il doit vous saluer militairement. Maintenant, au niveau euh, des affaires étrangères, malheureusement, ce n'est pas appliqué les textes prévoient en cas de cérémonie officielle que les membres de l'ordre national soient, invités. Bon, euh, ça n'a jamais, été appliqué. Ça n'a jamais été euh, appliqué. Maintenant, il y a une autre pratique au niveau de la fonction publique pour les avancements au choix. À grade égal, ancienneté égale, âge égal, note égale, on départage le ah. récipiendaires par la décoration, quelle que soit la décoration que vous avez. Voilà euh, pour, les, avantages. D'accord. Mais pour bénéficier de ces avantages, euh, notamment liés à la santé, à la question de la prise en charge sanitaire, euh, le décoro, comment doit-il se prendre pour bénéficier de ces avantages D'abord, il y a dans nos textes, c'est prévu. Ensuite, au moment de la création des hôpitaux, hein, des hôpitaux nationaux, et tous les textes, notre article, notre décret a été repris donc il suffit de présenter soit une copie du décret, soit une copie du diplôme aux urgences et pour bénéficier de, cet avantage. Il faut forcément ça. il, faut, les deux documents. On ne peut pas aller avec uniquement la médaille décrochée. Non, non, non. non, non, il, faut, le décret, le diplôme euh, pour, bénéficier. Parce que n'importe qui peut, acheter, peut avoir euh, une décoration peut, peut, prêter une décoration pour aller faire, se faire soigner gratuitement. Mais là, quand on a le papier, c'est son débat. Ils ne font même pas le calcul. C'est l'État qui prend les 80%. Les 20% que pour un fonctionnaire, hein. ah les 20% que vous devez payer, donc euh, ça aussi c'est gratuit. Mais la décoration, est-ce que, par exemple, cet avantage de la prise en charge, est-ce qu'elle concerne uniquement le décoré ou bien avec toute sa famille Non, non, c'est le décoré c'est le décoré qui a fait son travail, qui a mérité, qui a mérité, donc euh, qui a mérité euh, à ce que euh, qu'il soit pris en charge. Maintenant, dans notre nouveau texte, on est en train de, de, voir dans quelle mesure, puisque les, les, consultations et les examens médicaux ne font pas partie de cette prise en charge. Et maintenant, nous voulons l'introduire pour que les intéressés puissent bénéficier effectivement de de la prise en charge des, consultations et des examens médicaux qui sont plus chers que les frais d'hospitalisation, les, frais de lit, comme on dit. D'accord. Le décoré a-t-il d'autres avantages en dehors du Niger Bon, c'est le respect. Hein. Quand vous voyagez dans, Air, France ou autre, quand vous, euh, quand vous avez l'enseigne là, on vous respecte. Euh, quand vous êtes à Paris, dans un métro, il n'y a pas de place assise. Si vous avez une insigne, parce qu'ils connaissent les décorations, il a un signe de n'importe quel pays, d'une décoration de n'importe quel pays, on fait lever quelqu'un pour, pour, faire, pour vous faire asseoir. Et ensuite, au niveau des frontières, surtout avec le Nigeria, euh, dès qu'ils voient la médaille pendante, euh, ils, il, vous saluent militairement, officier, et puis on vous laisse passer, on ne vous fouille pas, par exemple. Donc, euh, à l'extérieur, c'est quoi C'est trop respecté dans certains pays comme le Burkina et, le Sénégal. Qui veille à ce que les décorés juste de ces, de avantages aujourd'hui Normalement, normalement c'est le rôle de la grande chancellerie. Nous, nous ne faisons que mobiliser, notifier ce que prévoient les textes. Mais dans l'application, il y a certaines difficultés. Euh, les ministères où le, les DRH, euh, ceux qui sont chargés de, gérer le personnel, ah euh, ne maîtrisent rien des décorations nigériennes. ce qui fait que euh, vous allez voir, le gars va faire 30 ans de service sans avoir une décoration. Parce que le, DRH n'est pas, pas, pas à la hauteur, enfin, n'est pas n'a pas un niveau d'information sur les décorations. Donc nous continuons, c'est maintenant que nous avons commencé à avoir les moyens, nous continuons à sensibiliser et à, sensibiliser dès qu'il y, a une cérémonie, euh, une, grande rencontre. Par exemple, le cadre de commandement, on envoie quelqu'un pour faire une exposé, on distribue les documents. Ça commence à s'améliorer. D'accord. En fait, tout agent ne doit pas finir sa carrière sans avoir au moins une décoration. Normalement. Normalement, s'il si, si, si, fait correctement son travail, il devait être proposé. Mais vraiment, il y a un laxisme au niveau des ressources humaines, euh, puisque euh, les textes disent qu'ils euh, doivent impérativement sélectionner les méritants, les proposer. Malheureusement, ils ne le font pas, mais les gens sont obligés de venir à la cest grande dire eux-mêmes chercher les mémoires remplir et, déposer. à la fonction publique. À, la fonction publique pour la mairie de notre travail et euh, dans leur ministère pour les autres décorations. Et généralement, après vérification, ils sont décorés. Oui, si euh, après vérification, maintenant si ça dépend de parce qu'on demande l'avis du chef hiérarchique d'abord, ensuite il le transmet au ministère de tutelle. Maintenant, s'il arrive à franchir toutes ces étapes-là, euh, nous, à la grande chancellerie, s'il répond aux critères, il n'y a pas de. Il y a pas de... Et il y a des enquêtes de moralité Bon, rarement on fait des enquêtes de moralité. Normalement, les textes euh, le prévoient. Euh, mais malheureusement, euh, compte tenu de, Là, c'est en étude. Au lieu de faire trois fêtes, hein, on, trois fêtes, on doit faire deux. deux, pour, deux. 1er mai, 18 décembre. Oui. En ce moment, nous, nous aurons le temps de recevoir les mémoires et s'il y a des soupçons, s'il y a des rumeurs, nous, saisissons la police judiciaire pour nous mener, ou la gendarmerie pour mener une enquête de moralité. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réformes en cours au niveau de la grande chancellerie Non, oui, il y a des réformes. Hum. Euh, sur euh, euh, le mode d'acquisition de la décoration, les avantages, l'extension des avantages. Est-ce qu'il y a des réformes en cours Il y a des réformes pour l'acquisition de pour l'acquisition des décorations pour la question, les critères autres, euh, rien n'a changé. Maintenant, c'est les avantages qu'on cherche à, de, nouveaux avantages qu'on cherche à intégrer. Euh, par exemple, euh, tous ceux qui sont découverts dans l'ordre national, on prévoit à ceux qui accèdent à l'hôpital national sans payer, rentrer avec leur véhicule au niveau de, l'aéroport, qu'ils accèdent au tarmac de, l'avion. Et, effectivement, il y a d'autres projets en chantier euh, que nous, sommes en train d'étudier de, pour le moment. Euh, nous allons créer un comité pour pouvoir harmoniser, intégrer euh, tout ce qui manque. D'accord. Alors, et lui, le, grand chancelier, hmm. lui aussi, c'est le président qui lui attribue sa distinction Oui, c'est le président de la République qui, le nomme. Dès qu'il est nommé grand, grand chancelier, euh, le président de la République le nomme grand chancelier, en même temps le nomme grand croix puisqu'il lui arrive de présider des cérémonies de remise de décoration. Donc il faut qu'il y ait le grade le plus élevé pour pouvoir décorer toute la chaîne, puisque des fois le président est assis, il, lui délègue ses pouvoirs pouvoir immédiatement, et là il lui faut le, grade de grand croix pour pouvoir décorer les autres. Maintenant, je, disais pour la réception des membres des, ordres nationaux, pour euh, avoir les médailles, chaque responsable doit avoir euh, sa, décoration des mains du président de la République. S'il est empêché, le Premier ministre. Le Premier ministre, lui, il a quel grade Il est, dignité de, l'ordre national. Et le président de l'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale, euh, tout celui qui a, un mandat électif euh, n'a pas, pas, droit à, nos décorations. Donc il faut à la, tout mandat électif. Tout mandat électif. Et ben qu'est-ce qui justifie cela Parce que bon, c'est des, représentants du peuple il faut, c'est à la fin de leur mission qu'on doit évaluer le travail accompli. Puisque en 96, euh, ils ont introduit dans leur règlement intérieur que trois mois après l'installation, ils ont euh, le grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Mais le président de la République, lui aussi, il a un mandat électif. Ah, il, a un, non, il a un mandat électif, mais le texte prévoit qu'automatiquement, dès qu'il est élu, lui, il est grand corps, puisqu'il est grand maître des ordres nationaux. Donc, d'office, il faut qu'on lui donne pour pouvoir superviser tous les membres des ordres nationaux et vérifier la gestion des, différentes décorations. C'est pourquoi directement on lui donne le, grade de grand Croix. Ah, par exemple, la médaille pour la police, euh, la médaille académique, la médaille des théâtres d'opération, est-ce qu'ils ont d'autres avantages spécifiques aux bénéficiaires Non, il n'y a pas de. Il en a pas. Pour la médaille du travail, euh, il y a des avantages qui ne sont prévues euh, au niveau des entreprises, pas dans nos textes. Donc, euh, il y a des avantages financiers. Les professionnels de banque, ils ont, dans leur convention, ils ont institué à ce que toute personne décorée ait un salaire, net mensuel, un mois de salaire net, sans retenue. par exemple, à la Nigélec, c'est plafonné. Celui qui a bronze, il a 40 000. Celui qui a argent, il a 60 000, ainsi de suite. Donc euh, c'est une, organisation interne. Nous ne pouvons pas imposer à ce qu'il que, y ait des primes pour les personnes décorées, puisque nous ne maîtrisons pas la trésorerie d'une société. Hein. Donc, euh, si euh, on dit qu'il faut donner des, avantages pécuniaires, si ce n'est pas une organisation interne consensuelle entre eux, nous ne pouvons pas imposer des primes. Dans certaines sociétés, c'est un mois de salaire. Malheureusement, les, gens ignorent euh, ce que c'est que la grande chancellerie. Euh, c'est vraiment de, s'approcher et de, de venir s'informer, euh, puisque vraiment c'est un honneur. Hein. Celui qui a mérité doit être décoré et qu'il soit distinctif des personnes qui n'ont pas eu la décoration. Donc ça stimule les travailleurs, ça pousse les autres à travailler. Euh, malheureusement, euh, la plupart des récipiendaires, euh, la première question, est-ce qu'il y a des incidences financières <laughs> oui. <laughs> Donc, mais c'est très important une décoration, puisque dans, certains pays, quand vous mettez dans votre CV que vous êtes décoré dans, telle décoration, le choix se fait directement, ils vont vous considérer comme un Et là, le choix, généralement, le choix se fait sur vous avant les autres. Euh, puisqu'on considère que vous avez déjà travaillé et que vous avez mérité, vous avez eu une récompense. Donc il y a une différence entre vous et les autres. Voilà un, des avantages également. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour euh, être décoré 15 ans de service, à titre normal. Il y a les décorations à titre normal, titre exceptionnel, titre posthume. Les ah. titres exceptionnels, ça veut dire Les titres exceptionnels, vous pouvez faire deux ans de travail, deux ans de service, euh, par, exemple, si vous avez ici Studio Kalangu, si vous avez euh, fait en sorte qu'il y ait un, rendement plus important, qu'il y ait des, la diversification des informations, la sensibilisation, ainsi de suite, le DG peut vous proposer, même deux ans de service, vous proposer avec un rapport motivé. Voilà ce que l'intéressé a fait. Compte tenu de ce qui a été mentionné, il serait souhaitable de le décorer pour l'encourager et stimuler les autres à faire encore mieux. Euh, voilà, donc ça, c'est les titres exceptionnels. Du, titre exceptionnel. Le titre exceptionnel, récemment, l'enfant de André a été décoré. Euh, je crois qu'il a fait l'écrivain. l'écrivain. Oui. Euh, donc, euh, si ce n'est pas à cette fête, il y a beaucoup qui, ignorent que c'est un écrivain. Alphaga aussi. Alphaga aussi, c'est la même chose. Alphaga, il il a eu au moins trois décorations. Ça, c'est à titre exceptionnel. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'ancienneté de service. Euh, vous pouvez être un vendeur, euh, un vendeur, un commerçant, si, si, vous avez fait des actions humanitaires, euh, on peut vous décorer sans demander quel est votre âge ou l'ancienneté dans, dans, votre activité. D'accord. À titre posthume À titre posthume, c'est les personnes qui ont effectivement travaillé, qui ont rendu d'éminents services à la nation, et compte tenu de, la négligence de l'administration, n'ont pas bénéficié de décorations. Euh, je vous donne un exemple. Euh, Amor, chef Amadou, il a, il a été, il a été euh, président ou quoi de l'aviation civile pendant plusieurs années. Et il est venu, il, il était premier ministre. Ah, il est leader politique. Il n'a jamais eu de décoration. Il n'a jamais eu de décoration. Là, on lui a fait titre exceptionnel. Maintenant, au cas où il serait mort, c'est à titre posthume qu'on fait la décoration et on fait une enquête pour voir dans la famille à qui il faut remettre la médaille. Pour remettre même la médaille Oui, il faut une enquête. Il y a une cérémonie, on remet. Oui. Maintenant, si, le, si, si la personne n'a pas été enterrée, c'est sur le cercueil qu'on dépose la, médaille. Maintenant, si la personne est enterrée, on, on, fait une enquête de moralité pour voir si c'est son fils, sa femme ou son frère à qui il faut remettre la. On reconnaît que l'intéressé a rendu d'éminents services, malheureusement, euh, qui n'a pas été récompensé, positivement au moment important. Et la personne à qui on décerne cette médaille à titre posthume, est-ce qu'elle peut bénéficier de ses avantages Non, c'est fini, c'est le cérémonial. Euh, on, lui, on, rend les honneurs et on, lui, on présente la décoration et puis c'est fini. Il n'y a plus d'avantages. D'accord. Alors, quel est votre euh, surtout message par rapport à cette question de décoration D'abord aux employeurs, aux employés, particulièrement du secteur privé, et à l'administration publique. Mon appel, c'est euh, s'adresse uniquement au DRH. Les, directeurs de ressources humaines, devaient venir euh, avoir des renseignements et pour pouvoir récompenser le personnel. Aux employeurs, je leur demande de ne pas être, euh, de ne pas être réticents à décorer les agents, les agents que, le, plus méritants. Parce que ça, euh, ça, contribue euh, au développement de l'entreprise. Maintenant, aux employés, les textes sont là, ils doivent, ils doivent euh, réclamer leur décoration, leur, euh, leur proposition. maintenant, c'est l'administration qui va trier. À l'administration euh, de, publique, c'est là-bas que les gens ne sont pas décorés sérieusement. C'est vraiment de, se ressaisir et de procéder un inventaire du personnel non décoré, un inventaire du personnel non décoré et qui mérite et de les proposer. La grande chancellerie vraiment ouverte pour. Il euh, n'y a, pas de, a pas de trafic d'influence. Le président ne nous dit pas de ne pas donner à un tel. C'est à lui d'apprécier sur, sur la base de nos proportions et il décore les gens. Donc il n'y a pas de trafic d'influence, il n'y a rien. Euh, celui qui remplit les conditions en fonction du contingent en tout cas, le dossier est examiné et adopté. Et on envoie le projet de décret au président de la République pour signature. Et, toujours est-il que le président de la République a toujours le dernier mot Il a toujours le dernier mot, parce que c'est lui le grand maître des, ordres nationaux. Donc celui qui décide en dernier ressort, il lui arrive de supprimer certains noms il, est, plus renseigné que tout, <laughs> que le monde. Donc, euh, nous ne pouvons pas avoir tous les éléments d'appréciation. D'accord. Alors, donc, en conclusion, on peut retenir que le travail bien fait dans la discipline sont des facteurs déterminants qui peuvent concourir dans l'obtention d'une distinction. Aussi, toute structure d'emploi public ou privé est habilitée à proposer au ministère de la fonction publique des noms d'agents pour services rendus afin d'être décorée. Enfin, la dissection offre plusieurs avantages aux bénéficiaires tout au long de leur carrière professionnelle et dans la vie courante. Comprenez surtout que la décoration est une marque d'honneur symbolisant la reconnaissance. Dans ce studio, nous étions donc en face à face avec Ali Sebou, longtemps secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux du Niger. À la retraite aujourd'hui, il est conseiller technique du Grand Chancellerie, du Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Niger. Monsieur Ali Sebou, merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Je vous donne rendez-vous pour notre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.